egg stade ba xam te bi lañ en chantier ñu finaliser mettre à la disposition des jeunes sportifs Voilà, je pense que c'est un partenariat qui va durer c'est un partenariat qu'on va consolider qu'on va pérenniser même parce que euh, je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que c'est la jeunesse de qui y gagne Le ministère de la jeunesse toujours euh, responsable nga xam au niveau local toujours dañuy déficit d'infrastructure amener nga xam bi localité nous koy poser au plus haut niveau de l'État pour que président de la République si boppam ay décision jël ay matuwaay pour que dëkk bi ñu mën d'infrastructures doter moderne comme ni mu koy defee le président ni mu koy defee à travers Diamniadio à travers les grandes villes Mbacké je pense que inscrit nañ ko ci euh, PUDC bi phase 2 bi dinañ ci bénéficier lu bare bare bare donc loolu yëpp dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy consolider rek gën koo gën koo topp bu ko defee Mbacké mën am infrastructure ay start, am ay structure de santé yu yu noble ndaw ñi message ma leen di lancé weesuwul ñun nañ jël suñu ay responsabilité baña nangu kenn duñu utiliser pour ay xeex wala ay xulo dañu wara def une politique civilisée politique bu responsable moy baña a baña xulo ñu mettre en valeur suñ ay xam-xam mettre en valeur li nga xam te bi mom la mëna offrir population yi au lieu de mettre en valeur au lieu ñuy génne doolé wala ñuy xeex wala ñuy xasante loolu je pense que loolu war nañoo weesu stade boobu di di politique di xase ba ngay saaga ba ngay xex loolu war nañ ko weesu dañu war a egg politique bi nga xam te bi li ngay mettre en exergue li ngay fessel moy lu bax li nga bëgg lu bax li nga paré pour def ko pour population au niveau donc euh, de la grève au niveau du ministère de la santé je pense que la solution est trouvée et c'est une solution heureuse il a fallu l'intervention du président de monsieur le président de la République son excellence Macky Sall qui a fait un appel fort en l'endroit des syndicats qui ont répondu à cet appel-là, donc pour lever leur mot d'ordre de grève, pour la stabilité et surtout pour une bonne prise en charge des patients, des patients au niveau des structures de santé. C'est un appel qui a été lancé et euh, en le promettant de s'asseoir autour d'une table pour trouver toutes les solutions. Parce que le gouvernement est là pour trouver des solutions. Monsieur le ministre de la Santé lui-même est un homme très ouvert, très engagé pour les questions sanitaires, pour les questions syndicales. Et à chaque fois que les syndicats donc, euh, pose des délais sur la table, il les, les, rencontre, il trouve des solutions et il travaille donc, euh, de concert avec tous les, tous, les responsables du ministère de la Santé. Je pense que c'est une, une question qui est pratiquement réglée parce que le gouvernement a pris des mesures, le président de la République a haussé le ton et il est prêt à rencontrer donc, euh, tout le mouvement syndical du, ministère de la Santé pour, pour, que, pour que donc, pour que, vraiment le travail puisse se faire dans la stabilité et dans la concorde.